Assalamu alaikum, salakum, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On, se retrouve aujourd'hui si, sur une télévision, c'est vous, TV. Donc on va parler de quoi De la mode. Pourquoi Météo Sensei. Donc euh, par rapport à Ngalo Bitay, la fabrique Ngalo, là, là, donc il y a un sol, ben, col, col roulé, mon sol. Ça permet euh, courant d'air de goussillot, C'est très important. Bois mes maquillages, maquillage, je maquillage, fait, c'est une rouge à lèvres def ko C'est une sourcil ne pas avec vos sol vert parce que poussière mooy de si n'oubliez pas temps masque bu leen c'est un masque mais si vous avez un masque vax day rafet ay couleur bu nekk ay tissu qualité masque aussi dafa important Si vous avez n'importe n'importe qualité de masque vous avez ñëw da ngay vous masque eau de javel tout ce qui va avec teg si bi sol ko chaque jour d'accord sol sa ben veste ma ñëwaat parce que vest c'est habillé bu fekkee ne jigéen buy liggéey élève buy dégg école solo sen yëre olaf sen sen ben éviter jean jean di serré parce que jean dafa am façon jean ak lu mu ak milieu lu andal né donc jean di à la peau ça va pas ou sur sa jean day sol benn yëre goudou ki day wàcc au niveau du genou loolu moo lay permettre na que discret bu sol tout jigéen sol le solal benn yére muy surtout bu jigéen moi en forme comprendre parce que forme donc nga caché ou mode may liggéey mais mode toujours de femme foo ñu wane comme am ni gis robe de soirée mon na ko sol ay après-midi robe de soirée booy sol c'est très joli mais robe de soirée dañ ko de robe de soirée comprendre mon sol discret c'est très joli mon sol le bar et

à savoir parce que nous na lu bëri da ngay chaise tranquillement l'ol erreur là donc euh, toujours euh, ak souligner deuxième chose pour toog ci chaise booy dugg si bureau da Salam ne salam alaikum. Salam alaikum ». quand personne ne vous dit de vous asseoir vous avez toog chaise premier aspect day salam salaamaaleykum si bureau salam alaikum, ci chaise loolu erreur là vraiment erreur le bu mag la

Si def yo, dégager assurance trop une assurance qui c'est trop dégagée devant ce supérieur dans les affronter ce supérieur et yo, vous de si da watch toujours ce ce supérieur ak patron parce que l'imaginaire est durée. donc da nga watch ce bopp tout tout direct, tranquillement donc tout l'année neexee da ngay croiser comme ni,

sa sa kenn teg sac ci suuf kenn ne posé tak table bi bureau jàmbur table kenn du ko posé nag tey sa loxo soo son toggal dans ngay toog chaise bi posé là une fois que vous êtes posé là on a discuté discuter ak seen loxo on est dank génne seen temps sol bi comme un ex sol chemise ici je suis bien à l'aise avec chemise bi avec costume vous bu fekkete ne ni ñu wane ni et bouton buy gën boy tok toujours da ngay déboutonner le bouton légui man sumoy mooy en même temps moy jóg bu fekkente ne bouton damay boutonner parce que costume lii laay sol costume mu mel nii tok tek sama loxo dugg sama baaxam ubbi ko ubiko. ñu ubi costume après dinaa la jàng comment sumi costume nek tak may ubi toujours me répéter bouton yi like toujours trois trois doigts donc comme un ciseau bës lol est costume top, toujours lol, donc lol c'est à savoir parce que nous, top, ni ñu ce seen costume c'est pas la peine donc on n'est que jigéen aussi même chose boo amee costume goudou, Des boutons boutonner costume, c'est une robe longue ne toog un nak seen tank. maquillage me revient soyez léger mais maquillez tout ça parce que nous, na beaucoup de maquillage am na jigéen may gis jigéen ay poudre bu weex tal dañuy ñuul mais poudre bu ñoom dañuy e blanche ni ne fait que ne ça des fois donc ce euh, maquillage avec fond de teint c'est un fond de teint c'est une seen peau c'est une rame. Bon maquillage parce que am allergique avec maquillage du maquillage vous avez copine may maquillage bob donc diol koy aussi maquillage bi foncé peau claire peau grasse peau yëpp ne et ma préférence je préfère peau naturelle. Bah, bah, mais Madame, choix donc euh, je vous remercie à la prochaine c'est le TV donc on reviendra comment se mes costumes ciao La prochaine fois je vous amènerai des stylistes avec des habits ciao bye. C'est ah, baa